le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du Mesdames et messieurs, merci d'être restés fidèles au programme du Studio Kalangou. C'est l'heure de votre émission quotidienne, le forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Aujourd'hui, nos échanges tourneront autour de la problématique de l'éducation des enfants déficients intellectuels au Niger, défis et perspectives. La déficience intellectuelle, qu'est-ce que c'est Quels sont les types de déficiences intellectuelles qu'on rencontre au Niger quelles sont les difficultés que rencontrent les enfants déficients intellectuels dans le système éducatif nigérien Quelles sont les mesures phares à envisager à court, moyen et long terme Pour répondre à nos questions, nous avons invité Mme Abdoulaye Mariama, responsable division éducation inclusive à la direction de l'enseignement du cycle primaire classique. Madame, bonsoir. Euh, Moussa Abdou, psychologue clinicien et président de l'Association pour le bien-être des enfants déficients intellectuels et autistes à Abédia, et euh, M. Farka Soumaïla, membre de l'Association nigérienne pour la promotion des personnes déficientes intellectuelles ANPPDI. Soumaïla Farka, bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission, à la présentation Alassane Kouzi Mohamedou. Bonsoir à tous. La problématique de l'éducation des enfants déficients intellectuels au Niger, défis et perspectives, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui dans ce forum. Dans une précédente émission portant sur le droit à l'éducation des enfants handicapés, nous avions vu que parmi les catégories d'enfants en situation de handicap, les enfants déficients intellectuels constituent la frange la plus vulnérable et qui a plus de difficultés avec le système éducatif euh, nigérien. important, comme vous devez le savoir, le Niger est signataire de multiples textes qui protègent ou qui font la promotion des droits des personnes handicapées. Il s'agit notamment au niveau international de la Convention relative aux droits des enfants. Au niveau africain, il s'agit du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées sans oublier les deux cibles de l'objectif 4 de l'agenda 2030 et au niveau national, les articles 22 et 26 de la Constitution stipulent respectivement L'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, des jeunes et des personnes handicapées et l'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées. Aujourd'hui, le forum tentera d'étudier de plus près la question de l'éducation de cette frange vulnérable parmi les vulnérables entre guillemets, notamment les enfants déficients intellectuels. Je commence par vous, Monsieur Moussa Abdou, psychologue clinicien et président de l'Association pour le bien-être des enfants déficients intellectuels et autistes. Euh, la déficience intellectuelle, qu'est-ce que c'est Bon, la déficience intellectuelle, euh, pour euh, définir ça tout simplement, c'est une réduction des capacités intellectuelles des enfants et de leur capacité d'adaptabilité sociale. Quelles sont ses caractéristiques Une incapacité d'apprentissage, c'est-à-dire que quand on met l'enfant qui est inscrit à l'école, donc à un certain moment, ne serait pas capable de continuer le cycle scolaire. Donc il aura des difficultés d'apprentissage. Et ça peut être aussi sur le plan social, de l'adaptation sociale, c'est-à-dire que le comportement de l'individu dans son environnement est incompatible par rapport à l'attente de la famille. Mm. Donc ça peut être les enfants hyper agités ou des enfants qui sont complètement inhibés donc qui n'arrive pas à se prendre en charge sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il ne peut pas manger de lui-même, il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas faire les petites commissions de la famille, donc il faudrait à chaque fois qu'on l'assiste pour qu'il fasse quelque chose. Donc c'est ça qui justifie l'incapacité même de Bien. Euh, Monsieur Farkas est-ce que vous pouvez euh, nous donner des compléments par rapport à ce qu'est une personne déficiente intellectuelle et les types de déficience intellectuelle qu'on rencontre le plus souvent au Niger, pour le cas du Niger. Je dirais simplement que euh, l'on constate quand même, dans tous les cas, des troubles de langage et, comme il l'a dit, des difficultés d'apprentissage et également une faible attention. C'est-à-dire si vous communiquez avec eux, un enfant ordinaire peut tenir pendant une heure, deux heures, avec une attention soutenue, mais dans le cas des enfants déficients intellectuels, l'attention durera peut-être 5-10 minutes et il va s'occuper d'autre chose. Mm. Sinon, pour le reste, euh, je suis d'accord avec lui. Madame Abdoulaye Mariama, responsable division éducation inclusive à la direction de l'enseignement du cycle primaire classique, est-ce qu'il existe une différence entre une personne déficiente intellectuelle et une personne autiste. La différence entre une personne déficiente intellectuelle et une personne autiste, c'est pas, il n'y a pas une très grande différence parce que et nous, dans l'ensemble, de l'enseignement, on les appelle déficients intellectuels et on les classe en quatre catégories. Il y a la déficience intellectuelle légère, la déficience intellectuelle moyenne, la déficience intellectuelle profonde et la déficience intellectuelle sévère. Donc euh, voilà les quatre catégories que nous avons au niveau du, de la déficience intellectuelle. Alors, Monsieur Moussa Abdou, on voit souvent certaines personnes, en tout cas, traiter euh, les enfants déficients intellectuels, souvent d'une façon euh, qui n'est pas du tout, en tout cas, digne. Qu'est-ce qui explique cela Vous parlez d'un traitement, donc, de façon qui n'est pas digne. Bon, vous savez, et lorsque nous avons parlé de leurs caractéristiques, mhm. que surtout quand c'est des enfants. Donc tout à l'heure, M. Farka disait que leur attention n'est pas soutenue. Donc on, peut prendre un simple exemple de l'enseignant qui, donc devant les explications, et l'enfant ne suit pas et tout de suite, il dit à l'enfant de lire I, l'enfant lit I, après il lui demande I de dire répéter I, il ne pourra pas le répéter. Donc c'est parce qu'il n'avait pas l'attention sur l'enseignant en ce moment. Mm. Et ça va amener l'enseignant donc euh, à se mettre dans une situation euh, mm. donc, de colère mm. et puis maintenant jusqu'à stigmatiser l'enfant et mettre à l'écart l'enfant pour dire que bon, maintenant l'enfant ne comprend rien et le laisser. Et c'est la même chose qui se, dans qui se répète dans les familles lorsque l'enfant qui est hyperactif, c'est-à-dire que très instable, donc euh, il touche tout, il euh, casse tout, il monte sur tout, il ne reste pas tranquille. Donc vous voyez, les parents n'ont pas le temps de se reposer. Hmm. Et ça, ça va entraîner donc un comportement, une réaction des parents qui vont essayer donc de les stigmatiser de les traiter de façon différente que les autres. Hmm. Et ça se retrouve aussi dans la rue dans la rue, surtout à l'école aussi, les enfants, quand ils constatent que tel enfant n'a pas le même niveau d'intelligence qu'eux, ils commencent donc à euh, le considérer comme un jouet en lui faisant répéter des choses, en lui faisant agir de tel. Mm. Donc vous voyez, et tout ça, ce sont des traitements vraiment euh, qu'ils ne méritent pas parce que ce n'est pas parce qu'ils veulent qu'ils font ça. Mm. C'est parce qu'ils ne peuvent pas s'adapter comme, les autres. Par rapport à l'autisme, c'est une catégorie de déficience intellectuelle. Les autistes on peut trouver parmi les autistes ceux qui présentent des déficiences intellectuelles comme ceux qui ne présentent pas. Donc, à ceux qui présentent ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, c'est les cas qui sont très intelligents. Eux, ils sont intelligents, mais leur difficulté, c'est le problème, l'altération de la communication. Donc, échanger avec quelqu'un, c'est ça qui est leur problème. Mais ils comprennent tout, ils peuvent tout faire. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous lui demandez de faire, il refuse de faire. Mais vous quittez, vous le laissez avant de revenir, il le fait, il le pose. Hum. Mais il n'a aucun, il n'a aucun échange, il ne veut pas avoir d'échange avec, toi. Hum. Et c'est ça les, les, les, les autistes. C'est un problème de communication. Tandis que chez les autres, les déficients intellectuels, eux, c'est une réduction de leur capacité intellectuelle. Et chez certains, ils n'en ont même pas. Parce qu'on peut dire qu'ils n'en ont même pas. Parce qu'à partir de 10 ans, ils ne peuvent plus réfléchir, ils ne peuvent plus raisonner. C'est pourquoi ils ne peuvent plus résoudre des problèmes qu'un enfant de 12, 10 ans, 13 ans peut résoudre. Mmh. Donc leur intelligence est limitée à partir de ces niveaux-là. Mais est-ce pour autant que ces, que ces enfants ne peuvent pas être éduqués Bien sûr, ces enfants-là peuvent être éduqués. Et leur éducation est différente de celle des autres parce que eux, ils ont d'abord un rythme très lent de compréhension et de traitement des informations. Donc, ce qui fait que ce que quelqu'un, un autre enfant normal peut comprendre en 10 minutes ou en une heure de temps, lui, il peut mettre une semaine pour le comprendre. Donc, ce n'est pas si facile de les mettre avec les enfants ordinaires. Donc c'est ça qui explique euh, leurs difficultés dans les écoles ordinaires. Sinon, on peut les aider, c'est les aider. On ne peut pas les guérir totalement pour dire qu'ils vont avoir le même niveau d'intelligence que les autres à un certain niveau. Non, non, on les éduque pour qu'ils puissent maintenir certaines aptitudes. Ils vont leur donner... Et avoir une, certaine autonomie. surtout, Alors, Pouvez-vous nous présenter les missions de la structure que vous représentez, notamment ABEDIA, l'Association pour le bien-être des enfants déficients intellectuels L'Association pour le bien-être des enfants déficients intellectuels et autistes a pour mission de prendre en charge les enfants déficients intellectuels et autistes, donc de les traiter, de les prendre en charge psychologiquement et de les prendre en charge sur l'aspect éducatif. Donc c'est vraiment un enseignement, euh, une prise en charge médico-psycho-éducatif. Nous allons revenir à vous. Mm. Le temps de donner la parole à M. Farka Soumaïla, qui est aussi membre d'une association, euh, à savoir l'Association nigérienne pour la promotion des personnes déficientes intellectuelles. M. Farka Soumaïla, dites-nous l'ANPPDI, ses principales missions. De tout point de vue, je crois que les missions se ressemblent. Mm. Euh, nous, c'est euh, la promotion sociale des personnes déficientes intellectuelles. Et à cet égard, on, a, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs. C'est de promouvoir l'éducation et la formation des personnes déficientes intellectuelles. Quand je dis personnes, il ne s'agit pas seulement d'enfants. Euh, c'est-à-dire ceux qui accèdent à l'âge adulte, euh, ceux qui ont une euh, intelligence qui leur permette d'accéder à certaines formations pour tendre ou espérer l'autonomie à laquelle vous avez fait allusion. Il y a également la promotion culturelle et sportive parce que les activités, la pratique des activités sportives est très intéressante par rapport à ces enfants. Mm. Comme on l'a dit, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs degrés. Ceux qui peuvent faire des activités sportives, l'essentiel c'est de participer on ne court pas vers un champion de l'année avec euh, un comme Alfaga, euh, Alphaga. Hmm. Non. Euh, si on dit de faire 100 mètres, si l'enfant fait 100 mètres, pour nous, c'est un succès. C'est déjà un succès. Hmm. Et maintenant, c'est la promotion de la participation à toutes les activités de notre structure fêtière, qui est la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Très bientôt, nous allons devoir scinder l'association en deux. Euh, parce que la dimension sportive doit revenir à une fédération spécifique pour le sport pour personnes handicapées. Mm. Euh, le ministère des Sports nous a instruit euh, pour que par catégorie de handicap, qu'il n'y ait pas d'association ou de ligue, mais qu'il y ait surtout des fédérations. Mm. Ce sont les fédérations qui vont se regrouper pour créer le comité national paralympique au Niger. Voilà. Mm, bien. Madame Marema Abdoulaye, responsable division éducation inclusive, je le disais tout à l'heure, quel lien vous partagez au niveau de votre division avec euh, ces enfants déficients intellectuels Donc, euh, au niveau de la déficience intellectuelle, euh, et comme je le disais tantôt, nous les avons classés en quatre catégories. Les deux premières catégories, les déficients intellectuels légers et moyens, ils sont inscrits dans les écoles euh, ordinaires sans problème et ils sont pris en charge par les enseignants. Et ceux qui vont se trouver par chance dans les écoles inclusives ou bien dans les écoles intégrées, mm. ils vont déjà trouver des enseignants qui sont formés en éducation inclusive. Et au cours de la formation en éducation inclusive des enseignants, on parle à ces enseignants-là de, toutes les catégories du handicap y compris la déficience intellectuelle. Selon le degré du handicap, l'enfant déficient intellectuel a besoin de pédagogie euh, spécifique, pour qu'il puisse mener bien ses, apprentissages. Donc euh, maintenant, ce qu'on appelle les profonds et les sévères, c'est ça notre problème. C'est ceux-là qui ne peuvent pas être pris en charge dans les écoles ordinaires actuellement. Mm. Et jusqu'à ce jour, il n'y a aucune structure de prise en charge publique créée par l'État pour ces enfants. Mais nous sommes en train de réfléchir. Pour... Qu'est-ce qui peut être la raison C'est le manque de moyens ou de ressources qualifiées Il y a plusieurs raisons. Les raisons essentielles, c'est d'abord la méconnaissance même de ce type de handicap par tous les acteurs, presque tous les acteurs de l'éducation. Il y a aussi la prise en charge qui est un peu compliquée, puisque pour les prendre en charge, si on prend le cas du docteur, ils ont un centre et au niveau de ce centre-là, moi j'ai eu à visiter leur centre pendant qu'il était aux Poudrières. Ils ont une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge ces, ces enfants-là. Mmh. Alors que nous, au niveau des écoles, on n'a que les enseignants on n'a pas de sociologues au niveau des écoles. On n'a pas d'assistants sociaux au niveau des écoles. Donc, c'est toute une équipe qu'il faut de spécialistes pour les prendre en charge. C'est ça qui fait la complication de leur prise en charge scolaire. Alors, Monsieur Moussa Abdou, psychologue euh, clinicien, président de l'Association pour le bien-être des enfants déficients intellectuels, quel est le constat qui se dégage Et la prise en charge de ces déficients intellectuels profonds et sévères et ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile. Et pour euh, un seul enfant, il faut au moins quatre personnes pour l'assister. Vous voyez mm. Alors que dans les écoles ordinaires, pour 30, euh, 40 enfants, il faut un seul enseignant. Donc, euh, c'est la difficulté. Surtout encore, il manque des spécialistes dans les domaines. Si je vous dis, par exemple, au Niger, moi, je suis le seul qui s'occupe des enfants déficients intellectuels donc au service de psychiatrie. Et c'est ce qui m'a poussé à créer ce centre-là, parce que le service de psychiatrie n'est pas adapté pour la prise en charge des enfants déficients intellectuels. Donc c'est pour cela que j'ai créé cette association pour euh, quand même euh, aider un peu les parents, parce qu'on les maintient de 8h à 17h. Et ça va permettre aux parents de s'occuper de leurs affaires. C'est cette catégorie de personnes euh, de déficience sévère que vous prenez en charge Je prends toutes les catégories, mais les autres catégories, je leur donne des séances, euh, deux à trois séances par semaine. Hmm. Bon, cette catégorie, j'arrive à les prendre en charge à l'hôpital. Hmm. Donc, eux, ils sont en même temps à l'école, mais on les permet de venir une ou deux fois par semaine pour une rééducation cognitive. Et donc cela leur permettra de, de, rattraper un certain niveau qui va leur permettre de, de suivre le rythme ordinaire. Alors, quand vous dites qu'une seule personne, un seul enfant de ce genre euh, nécessite la présence ou l'assistance de deux à trois, quatre personnes, euh, comment vous, à votre niveau, euh, vous arrivez à, à, à, gérer ces enfants avec combien de volontaires Présentement, j'ai trois, un psychologue et deux nounous. Donc, euh, nos moyens ne sont pas suffisants. Mais on maintient les enfants avec les moyens que nous avons. Donc, le psychologue euh, s'occupe donc de la prise en charge individuelle et une animatrice qui les prenne en classe donc pour deux heures de temps et après ils se retrouvent donc dans la salle pour euh, continuer leurs activités libres. Il n'y a pas de différenciation par âge, tout le monde se retrouve dans la même euh, il n'y a salle. Pas de, il n'y a pas de différenciation par mm. âge. Mm. On les prend ensemble. Et ensemble même, on les suit de façon individuelle. Donc chacun a une activité propre à lui qu'il doit exécuter. Euh, mais il n'y a pas, par exemple, à les prendre sur un même programme ensemble, non. On les traite en groupe, en même temps individuellement. Monsieur Farka quel est votre commentaire par rapport à la difficulté de la prise en charge euh, des enfants déficients intellectuels au niveau scolaire Bon, je crois que le problème est beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire, comme euh, l'ont dit mes prédécesseurs, premièrement, au niveau du Niger, on a des problèmes de données statistiques. On ne sait pas combien ils sont ces enfants. Nous, notre association existe depuis une trentaine d'années, mais on s'est toujours heurté à un mur. On est passé d'abord par du tâtonnement, puis on a essayé de circonscrire et on a tenté une classe pilote, mais les ressources qualifiées n'étaient pas là. Et avant euh, l'avènement de l'association de M. Moussa Abdou, mm. il y a eu plusieurs tentatives. Le défunt Dr Barry a commencé par l'organisation médico-psychopédagogique, je crois. Euh, ça n'a pas tenu parce qu'il fallait autour de 450 000 par enfant et par an. C'était lourd à supporter. Mm. Euh, le Pélican a tenté, je crois que le Pélican jusqu'à présent, il prend autour de 60 000 francs mois. En tout cas, j'ai eu à gérer des dossiers, c'est autour d'un million deux cents par an c'est pas donné. Quand on dit qu'on garde les enfants aussi euh, de telle heure à telle heure, ça veut dire que c'est une surveillance accrue. Ce sont des enfants fragiles qu'on vous confie. Sans qu'on leur dise qu'on les surveille, on les surveille pour que quelque chose ne leur arrive pas. Surtout que certains sont hyperactifs, comme l'a dit. Euh, hyper agités. Oui. Hyper agités. Hum. Et ensuite, un, on ne sait pas combien ils sont. Deux, une fois qu'on aura su combien ils sont, il va falloir faire euh, une cartographie pour voir comment les prendre en charge. Euh, depuis une dizaine d'années, on met en avant l'éducation inclusive. Éducation inclusive, ça veut dire un système éducatif dans lequel tous les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques, handicapés ou non, handicapés ou non mm. sont admis dans la même enceinte, dans la même classe et participent aux mêmes activités. Mm. Et on dit à égalité avec les autres. Mm. Pour qu'il y ait cette égalité, ça veut dire que toute la différence doit être comblée. Monsieur Moussel l'a dit, Madame Marie l'a répété, il faut des psychologues forcément, il faut des médecins, il faut des assistants sociaux, il faut des éducateurs spécialisés, il faut des ergothérapeutes, des tout tout tout tout tout. Peut-être même d'autres spécialités qu'on ignore encore parce que Madame disait que euh, la difficulté c'est aussi connaître certains types de de, déficiences. Absolument. Hein. Donc on n'a pas ça on cherche. On cherche, lui, est psychologue. c'est déjà l'élément central de la question. Et maintenant, il s'entoure de collaborateurs qu'il va former. Non seulement ils vont faire, mais il va les former. Comme ça, il y aura une répartition des tâches. Ce qui fait que la prise en charge de ces enfants, elle est encore timide. Et à ce moment, comment on a fait pour identifier ces enfants c'est-à-dire, une fois qu'on a fait le tour dans les écoles, dans les familles, on a identifié les typologies de handicap et tous ceux qui semblaient avoir des problèmes de comportement, on les a réunis et on les a soumis à l'auscultation d'un psychiatre. En son temps, je crois que c'était le docteur Corentin. Maintenant, c'est sur la base des résultats de ces examens que ces enfants ont été reconnus comme déficients intellectuels. Et nécessairement, Léger ou moyen, ceux qui avaient la capacité d'apprendre un peu. Qu'il s'agisse d'enfants déficients intellectuels ou autres, dans des situations pareilles, il est important de leur faire des objectifs personnalisés, comme l'a dit le <laughs> docteur Moussa. Mm. C'est-à-dire, il y a des activités d'ensemble, mais il y a des activités spécifiques parce que chaque enfant est un cas chaque enfant a ses besoins et, il va, et ses spécificités et il va falloir leur trouver des réponses appropriées pour que ça intéresse l'enfant. Et l'État, certes, l'État essaie de faire euh, quelque chose pour l'ensemble des enfants, mais cette catégorie, euh, jusqu'à présent, n'a pas encore trouvé de réponse à ses attentes. Maintenant, je crois qu'avec le mouvement associatif, avec le plaidoyer, peut-être qu'on arrivera à quelque chose dans ce sens. Et maintenant, en fonction des degrés de déficience, examiner quel type de centre il va falloir créer pour ces enfants. Quels sont ceux qui peuvent réellement aller en éducation inclusive Parce que chacun doit avoir son objectif pédagogique. Un enfant ordinaire, dès qu'on le prend, on le regarde, on dit, bon, on veut qu'il aille jusqu'au master ou au doctorat, comme on dit maintenant. Mm. Mais un enfant de ce genre, il y en a, on se dit, s'il arrive à être socialisé, c'est déjà ça. Et c'est là qu'il faudrait que euh, les personnels qualifiés peut-être se retrouvent pour définir une plateforme d'intervention à mener. Et peut-être que ça peut aller. Comme nous avons la chance d'avoir le pouvoir avec nous, <laughs> peut-être que le pouvoir va organiser une rencontre avec tous les euh, acteurs concernés par la question pour qu'on parle le même langage. Elle avait donné quelques raisons Notamment, c'est que la prise en charge de ces enfants demande énormément de moyens, notamment de ressources humaines qualifiées, et euh, surtout. Comment vous analysez cet aspect Oui, ça c'est tout à fait logique. Mais nos pays souffrent aujourd'hui de la gestion des carrières. En notre temps, c'est l'État qui définit les besoins en formation. L'État va venir, par exemple, dans le cas d'espèces, et peut dire au niveau du ministère de, de la Santé, je veux cinq psychologues, je veux cinq ceci, je veux dix comme ça. L'État fournit les bourses, l'État cherche les écoles de formation. Mais aujourd'hui, c'est plutôt des écoles privées qui sont là, et il faut débourser 700 000 par an et ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont intéressés ce type de formation. La jeunesse d'aujourd'hui, je la respecte, mais c'est surtout les questions de finances, banque. Euh. Bon, j'ai peur qu'il me fasse des crocs en jambes en sortant d'ici, <laughs> mais en tout cas, euh, les sciences sociales ne semblent pas, beaucoup intéresser, la, jeunesse. Or, tant qu'on n'a pas de candidat, ça ne peut pas marcher. Parce Parce qu'un travail, pour le réussir, il faut d'abord l'aimer. Mais où est la vocation aujourd'hui mais en tout cas, nous, nous, avons presque fini un document qu'on est en train de faire depuis un an, et demi. On a l'intention de voir où on peut chercher au moins des gens qui vont venir renforcer les capacités de nos acteurs pour qu'ils puissent faire un bas de la chose. Parce qu'il faut nécessairement commencer quelque chose. Il faut commencer. Tant qu'on dit qu'il faut que j'ai tout pour commencer, je crois qu'on ne va jamais commencer. Mais si on a l'essentiel comme euh, l'a fait docteur Moussa Abdou, eh ben, on commence on analyse, on dégage les forces et les faiblesses, les succès et les échecs, et on améliore en continu. Voilà. Quel autre obstacle, à votre avis, aujourd'hui, freine ces enfants euh, déficients intellectuels L'un des obstacles aussi, c'est la pesanteur des préjugés sociaux. La société. La société stigmatise. Et ça, ce n'est pas seulement cette catégorie d'enfants. Euh, généralement, on, dit, on les appelle des diables ou des génies. Mais même nous qui sommes déficients visuels, Dieu le sait quelle étiquette on nous colle. Un locomoteur, qu'est-ce qu'on ne dit pas de lui Un albinos, qu'est-ce qu'on ne dit pas de lui Notre société nourrit, cultive la stigmatisation. Or, il faudrait qu'on fasse une vaste campagne de sensibilisation pour que la société comprenne et accepte une personne telle que Dieu l'a créée. Personne n'a choisi d'être handicapé. Personne n'a choisi d'être albinos. Cet enfant qui naît parce que généralement, les déficients intellectuels, la déficience se constate à la naissance, ou en tout cas les premiers jours de la naissance. Mais cet enfant, il n'a même pas demandé à venir au monde. Il est venu comme ça. Et si on ne l'accepte pas, si on ne l'entoure pas d'affection comme on entoure les autres enfants, comment voulez-vous qu'il soit Son apprentissage de la parole va même se faire comment si les parents en ont honte et le gardent à courir, comme disent mes cousins Gobrawa. la surprotection. La surprotection, on, le... cache, on euh, pas ça, ça, ne va pas. Parce que d'aucuns pensent que c'est une malédiction. Et exactement. Et c'est pour ça que nous, au niveau de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, on a même euh, l'intention de faire une vaste campagne de sensibilisation et de plaidoyer par rapport au changement des mentalités par rapport à ça. Parce que nous tous, personne Dites normales et personnes handicapées, nous ne pouvons pas nous soustraire de la société. Donc il va falloir sensibiliser la société pour que la société nous accepte. Et je crois que c'est un travail qui est assez important parce qu'une fois qu'on a l'adhésion de la société, je vous jure qu'on peut réussir beaucoup de choses. Madame Abdoulaye Mariama, quel autre euh, obstacle aujourd'hui pour ces enfants Les obstacles sont énormes. En dehors des préjugés sociaux, il y a aussi ce que je vous avais dit, la méconnaissance même du handicap. Il y a aussi la méconnaissance des droits des enfants handicapés aussi. Là, il faut aussi vulgariser ces droits des personnes handicapées là pour que toute la communauté soit euh, informés, soit au même niveau d'information sur ces droits-là. Puisque le grand frère le disait, et les parents de ces enfants-là, ils les cachent. Ils ne veulent pas les sortir. Il y a des familles qui ne veulent même pas qu'on sache qu'ils ont des enfants déficients intellectuels. Ils les mettent au fond de la chambre, ils les cachent. Un autre obstacle, c'est le manque de sensibilisation ou bien l'insuffisance de sensibilisation sur cette déficience-là. C'est vrai, on fait des sensibilisations et sur euh, les handicaps, sur euh, l'éducation inclusive, sur la prise en charge des enfants handicapés, mais il faut faire une sensibilisation spécialement sur la déficience intellectuelle pour que toute la communauté sache ce que c'est que la déficience intellectuelle nous sommes en train de, de, préparer un atelier national sur la déficience intellectuelle et l'objectif qu'on s'est fixé pour cet atelier-là, c'est de favoriser l'inclusion scolaire des enfants vivant avec euh, la déficience intellectuelle. Et là, vraiment, on a l'intention de parler du handicap même, la déficience intellectuelle et de la méthode de prise en charge de cette déficience-là. Et ce qu'on veut inviter euh, à cet atelier-là, c'est tous les acteurs qui sont concernés par la question, à commencer par les parents, les mm. familles des enfants déficients mm. intellectuels, les spécialistes tels que euh, le docteur, mm. donc euh, toutes les catégories de spécialistes qu'il faut pour la prise en charge de ces enfants, et les médecins pour témoigner aussi du suivi médical, les enseignants qui ont les enfants déficients intellectuels légers dans leur classe, ils vont témoigner aussi des difficultés qu'ils rencontrent dans la prise en charge de ces enfants-là. En tout cas, on a l'intention eh, d'impliquer au niveau du ministère. On est là-dessus, on est dans les réflexions et très bientôt, on va organiser, Inch'Allah, cet atelier-là tous les acteurs concernés par la question seront invités on va euh, ensemble mettre la question de la déficience intellectuelle sur la table pour essayer de voir comment on va résoudre ce problème-là. Alors, autre difficulté soulevée tout à l'heure par euh, M. Farka Soumaïla, c'est euh, euh, les statistiques. Connaître même le nombre de personnes concernées par cette déficience. Vous avez évoqué le fait que dans le système éducatif, on prend le plus souvent en charge ceux qui ont une déficience euh, légère. Est-ce que à ce niveau, est-ce qu'au moins on peut avoir, vous pouvez <laughs> nous donner quelques chiffres, une idée de chiffres, une centaine ou plus Oui, la question des statistiques, c'est pas seulement au niveau de la déficience intellectuelle. À tous les niveaux, on a ce problème-là, puisque sur la fiche des statistiques qui sert au recensement des élèves dans les écoles, la colonne qui est prévue pour euh, recenser les enfants handicapés, cette colonne-là n'est pas bien renseignée. Pourquoi Parce que les enseignants n'ont pas suffisamment de formation pour reconnaître les différents types de handicap. Mais heureusement, tout récemment, on a eu euh, une autre stratégie par rapport à ça. On l'a essayé, on l'a testé et juste vers la fin de l'année. Donc, on a créé une fiche et sur l'affiche, on a mis tous les renseignements possibles au niveau de chaque type de handicap. Tout ce qui va permettre à un enseignant de reconnaître ce type de handicap on l'a mis sur l'affiche et on a ventilé au niveau des directions régionales. Et du coup, il suffirait de, de cocher de devant. Cocher, de remplir. Et ils ont rempli, mais c'était à la fin de l'année. Donc, euh, comme nous avons déjà testé, nous avons vu que ça a donné quelque chose, on va continuer avec pour voir le temps de former tous les enseignants pour voir comment on va faire pour avoir euh, ces statistiques-là. Mm. C'est à tous les niveaux, c'est pas au niveau de la déficience intellectuelle seulement. Alors, nous allons finir avec euh, les difficultés avec euh, euh Moussa Abdou. Au niveau de, votre association, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face dans la prise en charge de tous les jours La grande difficulté, c'est la difficulté d'ordre financière et matériel, les moyens et l'espace aussi. Parce qu'aujourd'hui, eh, nous n'avons pas vraiment un espace agréable pour l'épanouissement des enfants. Oh, nous sommes déjà sur une superficie de 200 mètres carrés qu'il faut contenir. Pour cela, j'ai même limité le nombre des enfants à 10 parce qu'on ne peut pas prendre plus de 10. Et le second problème, il y a, je ne sais pas, c'est la méconnaissance ou bien les gens ne veulent pas intervenir, mm. mais on n'a pas d'assistance pour le moment. En 2014, quand j'ai commencé, j'ai eu l'assistance de certains partenaires et qui ont commencé vraiment à me relancer, à trouver même des aires de jeu pour. Euh, eh est-ce que euh, votre, votre action est accompagnée ou soutenue par, par le gouvernement Ça a été toujours soutenu par le gouvernement parce que je me rappelle en chaque décembre saison de, de, pommes de terre puisque nous gardons les enfants là-bas. Nous avons une cantine ou une restauration pour les enfants. Donc l'État intervient sur le plan alimentaire et sur le plan même euh, des jeux éducatifs. Donc euh, la direction est spécialisée nous fournit chaque année des jeux éducatifs. Mm. Et c'est avec ces jeux éducatifs que nous arrivons jusqu'à aujourd'hui à faire euh, les petites pratiques, euh, les petites tâches du, alors, vous avez dit que vous gardez ces enfants de, de, de 8h à 17h De 8h à 17h. Alors, comment vous, vous gérez ces... Est-ce que c'est entrecoupé de pauses d'une heure de temps, de 30 minutes, de combien Oui, oui forcément, parce que ces enfants, ont dit, ils ont des troubles d'attention et une hyperactivité. Donc, c'est des enfants qu'on ne peut pas garder une heure de temps sans les laisser un peu bouger. Donc, ce qui fait qu'à chaque instant, quand on fait une activité de 45 minutes, on libère l'enfant, il part, il s'occupe d'autre chose et on, reprend encore 15 à 30 minutes après. À partir de midi, ils font leur euh, déjeuner et ils se reposent, ils regardent la télévision et jusqu'à 17 heures là, c'est des activités libres pour les enfants. Alors, nous poursuivons cette émission, euh, cette fois-ci, par, euh, par les mesures qu'il faudra prendre euh, pour, en tout cas, permettre à ces enfants de bénéficier d'une éducation et d'une réinsertion sociale appropriée. Monsieur Farka Soumaïla, à votre avis, quelle est l'approche qui sied le mieux pour les enfants déficients intellectuels Est-ce l'approche intégratrice, inclusive ou spécialisée Et pourquoi Bon, Premièrement, au niveau de la Constitution de la République du Niger du 25 novembre 2010, il est écrit que tous les parents ont le droit et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. Hmm. L'État et les collectivités ont obligation de les soutenir dans cette tâche. Hmm. Ça veut dire que le droit à l'éducation est un droit reconnu par la Constitution. Quel que soit l'enfant ça, c'est un. Deuxièmement, l'article 22 de la même Constitution a donné droit à ses enfants. L'article 26 de la Constitution a parlé de prendre toutes les mesures en vue de légalisation des chances des personnes handicapées. C'est pas petit là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006 Il y a eu la Convention relative aux droits des personnes handicapées. L'article 24 ne traite que du volet éducation. C'est vrai que on privilégie l'approche inclusive. Cependant, ce ne sont pas tous les enfants, ce ne sont pas tous les contextes qui permettent d'inclure les enfants. Il y a situation, des situations dans lesquelles on ne peut que intégrer. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut que les garder en milieu spécialisé, pour leur bien. Il est docteur, il sait. Il y, a, il y a des degrés de handicap. Et par rapport aux degrés, certains degrés, par exemple sévères ou profonds, auxquels euh, Madame a fait allusion, si on les met en milieu inclusif, je crois que ça va leur être plus préjudiciable qu'autre chose. Il faut être réaliste. On est d'accord que nous ayons tous des droits, mais il y a des droits qui favorisent et certaines applications de droits qui peuvent poser problème. Donc moi, je pense que le début de la solution, Madame vient de le dire, c'est atelier national que son ministère a l'intention d'organiser. Il faudrait qu'on veuille à n'oublier personne. Elle a commencé à citer les parties prenantes. C'est une excellente chose. Et personnellement, moi, ça me réjouit. Ça veut dire que le, le gros dossier qu'on a, il faut qu'on le finisse avant, cet atelier. Avant cet atelier. <laughs> Donc, je crois que sur cette base, le docteur aussi est là. Il est clair que l'État à lui seul ne peut pas tout prendre. Maintenant, s'il y a des acteurs volontaires qui veulent accompagner l'État, ce serait bien que l'État leur accorde aussi des facilités. Ces facilités, ça peut être l'attribution de terrain pour construire des centres, des instituts ou autre chose. Qui peuvent accueillir et un peu plus. un peu plus. Et surtout où l'État peut affecter ou mettre à disposition des compétences. Parce que nos structures, nos associations, déjà, elles n'ont même pas de subvention. C'est avec les dossiers qu'on soumet aux différents partenaires qu'on arrive à les faire tourner. On ne peut pas payer du personnel qualifié. Mais cependant, l'État, qui gère toutes les ressources, peut apporter sa contribution pour que ça ah, il faudrait une conjugaison d'efforts pour que ça marche. L'État à lui seul ne peut pas, les structures individuelles ne peuvent pas à elles seules, donc il va falloir une démarche collégiale pour qu'on puisse arriver. Si vous voyez qu'il y a des structures privées, c'est que partout dans le monde, ça a commencé comme ça. Même aux États-Unis, même aux États-Unis, aux États-Unis, pour qu'il y ait euh, quelque chose par rapport au sport spécifique pour les déficients intellectuels, il a fallu que dans la famille Kennedy, qu'il y ait quelqu'un comme ça. On a inventé Special Olympics. Donc, presque partout, quand vous voyez des structures comme ça, c'est parents, amis d'enfants encéphalopathes, parents, amis d'enfants déficients intellectuels, parents, etc. Maintenant, quand ça prend racine, l'État accompagne ou, quelque chose parce que, mm. parce que l'État, c'est sûr que ses ressources, ses ressources <laughs> ne lui suffisent pas, mm. mais il va falloir prévoir un peu pour nos enfants aussi. Bien. Alors, Madame Abdoulaye Mariama, quelles mesures phares, à votre avis, faudra-t-il envisager à court, moyen et long terme pour voir ces enfants défiants intellectuels, en tout cas, bénéficier d'une prise en charge appropriée au niveau scolaire D'abord, à court terme, c'est ce que je viens de dire, l'organisation de, cet atelier. Hein. Donc, ça va être un début de solution. Après l'organisation de l'atelier, nous allons à la fin formuler des recommandations et c'est en fonction de ce qui va être prévu dans les recommandations que nous allons continuer les activités pour euh, la prise en charge euh, scolaire de ces enfants handicapés. La sensibilisation va continuer. La dernière fois, je vous avais parlé du dispositif d'inclusion scolaire, Dans la première phase a la sensibilisation. Et il y a aussi l'identification qui, suivra. et le mm. diagnostic qui va aussi déterminer le type de handicap. Donc, euh, toutes ces activités-là seront un euh, début de solution à moyen terme pour cette prise en charge et euh, scolaire de, la déficience intellectuelle. On sait que on sait que beaucoup d'autres types de handicaps euh, disposent d'écoles spécialisées. On sait qu'il y a une école euh, pour les malvoyants et les non-voyants, pour les sourds. Est-ce qu'on peut euh, envisager ou penser un jour à la création d'une école publique spécialisée pour pour ces enfants Oui, c'est ça. Tout cela sera déterminé au niveau de, l'atelier. C'est comme l'a dit le grand frère. Ces types de handicaps, les profonds et les sévères, on ne peut pas les, les inclure il faut nécessairement réfléchir à la création d'une école spécialisée pour euh, déficients intellectuels, dans un premier temps pour les prendre en charge. Monsieur Moussa Abdou, euh, quelles autres mesures pour vous, vous pensez être appropriées à prendre urgemment, à court, moyen et long terme pour euh, la prise en charge de ces enfants Urgemment, je pense à court terme, c'est ce que nous avons déjà, c'est ce qui se passe tous les jours depuis, parce que les écoles les écoles réfèrent les enfants au niveau de la psychiatrie. Donc déjà, on peut parler d'un démarrage de la prise en charge donc à court terme. Et maintenant, suite à, l'atelier qui aura lieu, comme elle nous a vraiment, c'est très, c'est une nouvelle très accueillante et formidable. Si on arrive à le faire, ça doit être un point de départ, en tout cas de toute forme de prise en charge et puis pour euh, les enfants déficients intellectuels. Ici s'achève le forum d'aujourd'hui sur la problématique de l'éducation des enfants déficients intellectuels, défis et perspectives. Il ressort de nos échanges que le problème de l'éducation des enfants déficients intellectuels se pose avec acuité en raison de leur spécificité qui demande une prise en charge spécialisée et adéquate. À ce jour encore, au Niger, il n'existe aucune structure publique ou école qualifiée pour la prise en charge de ces enfants déficients intellectuels. Nos trois invités fondent l'espoir sur l'atelier national que compte organiser le ministère de l'enseignement primaire avec ses partenaires. Cet atelier national, s'il voit le jour, il pourra lancer les jalons d'une solution durable concernant l'éducation de ces enfants déficients intellectuels. Nous étions en compagnie de Madame Abdoulaye Mariama, responsable division éducation inclusive à la direction de l'enseignement du cycle primaire euh, classique, et euh, Moussa Abdou, psychologue clinicien, président de l'association pour le bien-être des enfants déficients intellectuels et autistes, Abedia, et Farka Soumaïla, membre de l'association nigérienne pour la promotion des personnes déficientes intellectuelles ANPPDI. Et pour la présentation, c'est moi Alassane Kouzi Mamadou, le volet technique assuré par Abdulkader Chombiano. Bonsoir.